Et les est 18h, vous êtes à l'écoute du studio Kalangu au micro Senia Yubakaka. Bonsoir au sommaire de ce journal. Dès le début de cette édition, nous ferons le point des combats de lutte dans le cadre de la 39e édition du Sabre national à Dosso en tête, suivi de Maradi puis Agadez. Le 31 décembre 2017, c'est la date butoir pour les jeunes Nigériens enrôlés par Boko Haram pour se repentir à jour J-1 de la date d'expiration du délai. Quel sera le sort réservé à ceux qui hésitent à se rendre Vous entendrez la réponse du gouverneur de la rejoint du DIFA, Laoli Dandano. En partie magazine du journal, nous nous sommes intéressés à la rencontre annuelle des écoles normales du Niger qui s'est tenue à d'outils de façon précise sur le processus de la réforme curriculaire introduisant cinq langues maternelles dans l'enseignement des classes du CI, CP et CE1 avec Idija Jaharou de la direction du curriculum et de l'équipement des langues nationales au ministère de l'enseignement primaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information au terme de la journée du sabre, de la quatrième journée du sabre national hier. C'est la région du Dosso qui est en tête avec 67 victoires, suivie de Maradi avec 65, Tawa 64, Agadez 63, Niamey 59, Difa 57 et enfin Tilaberi et Zender avec 52 victoires chacune. Pour ce qui est des combats d'hier après-midi, l'on retient la victoire du Dosso sur Maradi, 5 victoires et 4 et un match nul, puis le match nul entre Agadez et Tawa 5-5. Pour ce samedi, dans la matinée, Niamey a remporté face à Agadez par 7 euh, à 2 et plus un nul et Zender a disposé de Tawa par 5 à 4 et un combat nul. Les invaincus sont au nombre de 19 lutteurs et se repartissent comme suit. Maradi 4, Dosso 3, Tawa 3, Agadez 2, Difa 2, Tilaberi 2, Zender 2 a mis un combattant qui reste. Le 31 décembre 2017, c'est la date limite donnée par les autorités nigériennes aux jeunes Nigériens enrôlés par Boko Haram de revenir se repentir. Un an après cet appel, ils sont environ 177 jeunes qui se sont rendus et internés dans le camp des repentis érigé à Goudoumaria, dans la région de Difa, à J-1 de la date butoir d'expiration du délai pour ceux qui hésitent à se rendre. Quel sera leur sort Réponse avec le gouverneur de la région de Difa. Laoli Dandano, propos recueillis par Adam Baboukarna. Nous, de notre point de vue, nous avons pensé qu'un an suffit pour que les gens, ceux qui veulent venir, voient venir. Mais depuis quelques jours, il y a certains leaders d'opinion de la région de DIFA qui sont venus nous, voir et nous ont demandé de continuer à donner cette opportunité à ces jeunes qui, à un moment, sont partis, de leur donner cette deuxième chance de venir pour qu'on puisse les accueillir et continuer le processus. Nous avons euh, euh, approché des plus hautes autorités qui nous ont donné vraiment le feu de voir dans quelle mesure nous pouvons continuer ce processus. Donc l'un de l'autre, nous sommes en train de réfléchir et dès la semaine euh, prochaine, le 8 janvier, nous allons tenir une grande rencontre ici au niveau des DIFA avec tous les leaders d'opinion de la région pour que tous ensemble que nous réfléchissons quelle démarche adopter pour cette nouvelle année 2018. Je pense qu'au centre de la réunion qui va se tenir le 8, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de tous les leaders, nous allons aller faire une nouvelle démarche. Et ce que je disais tantôt, nous allons faire en sorte que ce soit les leaders de la région qui puissent prendre en main cette activité de repentance, de gestion des répandus au niveau des différents. Et puis la fête de Saint-Sylvestre ou fête du Nouvel An, c'est dans 24 heures. C'est un moment de l'année où la circulation est dense, occasionnant plus d'accidents de la route. Gungu s'est entretenu hier matin au téléphone avec, le, avec euh, euh, commandant du 8e groupement régional incendie secours sapeurs-pompiers de Niamey, qui nous parle des dispositions prises à cet effet. Nous allons mettre un dispositif euh, exceptionnel pour pouvoir être en mesure de répondre efficacement aux attentes de la population. Donc, au niveau de certains carrefours stratégiques, nous allons positionner des sapeurs-pompiers plus des ambulances afin qu'ils puissent intervenir rapidement en cas d'accident de circulation. Ce que nous comptons faire pour essayer de passer les fêtes de fin d'année dans de très bonnes conditions. À Niamey, par jour, on a juste au minimum une quinzaine d'accidents de circulation. C'est d'abord un appel qu'on lance à l'endroit des usagers de la route. Si ces usagers de la route essaient d'être prudents, je pense qu'ils vont réduire le nombre d'accidents de circulation. Notre dispositif, c'est un dispositif de secours. Donc nous, on essaie de sensibiliser au niveau des usagers de la route de, de conduire prudemment pour essayer d'éviter un taux élevé d'accidents de circulation. À cette veille de la fête de fin d'année, des dispositions ont été prises par le maire président de la délégation spéciale de la ville de Niamey pour limiter les risques divers qui surviennent en pareille occasion. En pareille occasion, Mokhtar Mahmoudou appelle à plus de vigilance pendant le réveillon. Il est au micro de Habibou Garba. Fin d'année, euh, nous connaissons dans des grandes villes comme Niamey beaucoup de mouvements. Nous comprenons que nous devons exprimer notre joie pour une fin d'année et une nouvelle année. Ça, c'est tout à fait un droit légitime. Mais cela doit se faire dans l'ordre, cela doit se faire dans la discipline. Nous appelons les uns et les autres à faire les choses avec euh, mesure, avec euh, responsabilité, dans le respect des règles et des lois que nous avons établies ensemble. Au niveau de la ville de Niamey, nous allons y veiller à la sécurité des gens. Nous allons nous allons éveiller à ce que les débordements soient maîtrisés et s'il y a sanctions à prendre, nous prenons les sanctions appropriées à ceux qui n'entendent pas respecter l'ordre public. Depuis des années, avec l'arrêt des activités touristiques dans la région d'Agadez, les handicapés de la ville d'Agadez sont confrontés à une mévente inquiétante de leurs produits artisanaux. Écoutons le cri de cœur de Massalabi Abdou, président de la Fédération des handicapés de la région, au, au, micro de notre correspondant Moussa Maman. Maintenant, il n'y a pas de touristes. Nous, nous sommes handicapés artisans. Le handicapé d'Agadez, pas aller jamais. On travaille, donc on lance un appel à l'endroit de l'autorité, des projets et ONG de nous aider parce qu'il n'y a pas de clair, de nous appuyer pour évacuer et notre produit qu'on fait ici pour amener ça à l'extérieur ou à l'intérieur. Il faut nous aider pour ça. Vraiment, ça c'est notre cri de cœur. Acteurs incontournables de la lutte traditionnelle au Niger, les Tchali Tchali animent les arènes en imitant les actions des lutteurs. Suivant ce reportage de notre correspondant à Zander, Mustafa Mamassani. Ils sont présents chaque année. Leur présence est même capitale en ce qu'ils vivifient l'ambiance. Eux, ce sont les Tchali Tchali, sorte de charlots des arènes. Ils sont facilement identifiables de par leur accoutrement choisi le plus bizarrement possible pour tout simplement égayer l'atmosphère. Moussa Salah, admirateur de la lutte traditionnelle. Les Tchalitahid, aujourd'hui, quand ils arrivent à avoir au moins 5000 francs, ils vont faire le tour de l'arène en criant, en souillant, en dansant, et tout le monde va dire, et tout le monde va se souffler un peu. Et c'est ça qui fait que c'est la force de la lutte traditionnelle. Debout, à côté du ring, ils suivent attentivement les matchs et reproduisent en quelques fractions de secondes, presque de manière identique, une action. Ils rendent service aussi bien aux spectateurs qu'aux lutteurs, selon Abdou Issoufou, chef des Tchalitali du Niger. Personne n'est content si Tchali-Tchali ne circule pas. Même les lutteurs se corrigent en observant Tchali-Tchali de produire leur action. quel' qu'en soit ton humeur, tu trouves le sourire quand tu vois passer un Tchali-Tchali. Cette année, on peut remarquer dans l'arène des Tchali-Tchali aux longs bonnets, aux grosses lunettes, aux gros ventres, aux appareils photo ou encore le cavalier de l'arène qui circule sans cesse avec son dispositif, quel qu'en soit l'humeur ou l'atmosphère, ils sont capables de créer la détente en quelques secondes, d'où l'impérieuse nécessité de les inviter chaque année. Les programmes du studio Kalangu à Niamey sur la radio Enfani 100 FM et sur la radio Alternative 99.4 FM à Agadez sur la radio Nomade FM 101.9 FM à Arli sur la radio Ikokan 95.1 FM à Difa sur la radio Enfani 100 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à Tirozirine sur la radio Azuru 95.1 FM à Pilengi sur la radio Mourir Talaka 95.1 FM à Tilaberi sur la radio Tebonsi 97.5 FM à Maradi sur la radio Garkwa 107 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Zender sur la radio Shukra 105.5 FM Studio Kalangu Suivez les programmes du Studio Kalangu partout dans le monde grâce à sa page Facebook la page Facebook du studio Kalangu. J'aime et je partage. La partie magazine de ce journal, en marge de la rencontre annuelle des écoles normales du Niger tenue du 25 au 26 décembre à Douti, le processus de la réforme curriculaire s'est poursuivi. Elle vise à introduire les langues maternelles au nombre de 5 dans l'enseignement dans les classes de CI, 1 e Plus de 10 000 maîtres et directeurs d'école sont concernés sur l'ensemble du Niger. Notre correspondant à Douti, Abdulaziz Nayuma, a tendu son micro à Idi Jaharou de la direction du curriculum et de l'équipement des langues nationales au ministère de l'enseignement primaire. Suivant ses explications. Effectivement, un nombre impressionnant d'activités euh, ont été menées. À l'heure où je vous parle, sur l'ensemble des huit régions, il y a une activité qui a été lancée elle consiste à former les enseignants qui ont en charge cette année-là les classes CP et les classes CE1 qui sont réparties dans 500 écoles qui expérimentent le curriculum. Donc déjà nous sommes au troisième niveau dans l'élaboration des outils. Ça veut dire que pour ces trois outils-là, pour ces trois niveaux-là, CI, CP, C1, des outils ont été produits, des manuels pour les élèves et des guides dans les cinq langues équipées. Euh, je vais parler du Kanuri, du Hausa, du Tamashek, du Germain et du, et du Voilà les cinq premières langues. Il y a un mois de cela, nous avions finalisé la formation des 10 000 enseignants. 10 000 enseignants parce que après la première génération des 500 écoles, on a étendu le nombre d'écoles concernées. On en a augmenté 4 500 nouvelles qui sont venues s'ajouter aux 500 premières. Et pour ces 5000 écoles-là, on a formé les enseignants du CI, ceux qui, vont, ceux qui sont en train de tenir les classes de CI, et leurs directeurs. C'est ça qui fait les 10 000. 5 000 enseignants du CI et 5 000 directeurs, ça fait les 10 000. Avant cela, d'autres activités telles que la sensibilisation, qui a consisté à sillonner tous les chefs-lieux de région autour des gouverneurs et des chefs, des, des, sultans et des chefs de canton, des préfets, des réunions de sensibilisation ont été organisées sur les huit chefs-lieux de région. Après, cette mission de sensibilisation est partie dans tout, presque tous les chefs-lieux de département. sont partis porter l'information pour avoir l'adhésion de tous les acteurs. Quand on dit adhésion de tous les acteurs, c'est les parents d'élèves, c'est les enseignants, c'est les inspecteurs, c'est vous les journalistes. Parce que vous êtes en train de faire un travail énorme. Voilà, nous sommes au terme de ce journal du studio Kalangou. Rendez-vous pour une nouvelle édition dès demain à partir de 18h. Merci et au revoir. santé, sport, culture, initiative. Tous les jours sur Studio Kalangu, et magazine. Du lundi au vendredi en Tamashek à 17h12, en Fulfulde à 17h27, en Hausa à 17h42, en Germain à 17h57 et toute la semaine en français à 18h12. Studio Kalangu au rythme du Niger.